Fidèles auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangu. Ce 11 octobre 2023, à la présentation, je suis Rukai Top Draman avec Mariam Adey. Mariam, comment tu vas Je vais super bien, Ruki, et j'espère pareil chez toi. Bien, alors, sans tarder, passons au programme du jour. Nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure et nous commençons avec le flash d'information. S'en suivra de la bonne musique 100% nigérienne et plein d'autres rubriques. Sans oublier notre entretien du jour qui porte sur le mois octobre rose dédié à la lutte contre les cancers. Et l'invité de ce matin est Docteur Assisser Amdoulaye Diop, la fondatrice et directrice générale de la clinique AFOA. Nous allons boucler cette émission avec euh, les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Kadiga Isaka et Rahila Toussoumana et la technique par Abdulkader Kambiano. Et c'est parti. voici les flashs d'informations présentés par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Mariama Adé. Bonjour Rokeyatou Abdraman. Bonjour Mokhtar. Euh, le flash d'information à présent. Les États-Unis d'Amérique ont conclu qu'un coup d'État militaire a eu lieu au Niger. Au terme de la loi américaine, euh, les États-Unis suspendent la majeure partie de leur aide au gouvernement du Niger. L'annonce a été faite dans un communiqué hier par l'ambassade des États-Unis au Niger. Euh, cependant, le communiqué précise qu'ils maintiendront leur aide humanitaire, alimentaire et sanitaire qui permet de sauver des vies pour le bien du peuple nigérien. Les États-Unis entendent également poursuivre leur collaboration avec euh, les gouvernements de la région, y compris le Niger, pour faire avancer leurs intérêts communs en Afrique de l'Ouest. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a signé hier mardi 10 octobre Trois décrets portant nomination et affectation des magistrats rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Il faut noter que ces décrets ont touché l'ensemble de l'appareil judiciaire de la République du Niger, étant donné que de l'administration centrale aux tribunaux d'instance en passant par les différentes cours et tribunaux ont été touchés par le présent réamendement profond euh, de ce secteur combien important dans la vie d'une nation. À l'instar des autres pays du monde, le Niger célèbre ce mercredi 11 octobre la 11e édition de la Journée internationale de la jeune fille. Le thème retenu cette année est Investir dans, le, dans les droits des filles, notre leadership et notre bien-être. Euh, dans un message livré à cette occasion, le ministre de la Santé publique, euh, de la Population et des Affaires euh, sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi a exhorté les ministères sectoriels à plus d'implication et d'engagement pour relever les défis auxquels les jeunes filles sont confrontées. Le ministre a par la même occasion demandé aux partenaires techniques et financiers de continuer d'accompagner le ministère dans la mise en œuvre des programmes de protection de l'enfant et de la sauvegarde des droits des filles. C'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 11 octobre 2023. Merci Mokhtar, fidèles auditeurs. C'est le moment pour nous d'en savoir un peu plus sur notre invité du jour. Oui, comme annoncé, Dr Sissé Ramtila Diop est l'invité dans notre entretien du jour. C'est la fondatrice et directrice générale de la clinique Afoua. Elle va nous parler du cancer du sein et de sa prise en charge et surtout des actions de prévention. Mais avant, écoutons le morceau d'Adam de Hadiza en featuring avec Akaidan Gaskia. de frappe, l'homme phénoménal et Adiza, pour le break un bon chat à moi. C'est le bien, c'est. vrai nom, Hadiza Abdullahi Tawaye est surnommé Mangou par sa maman depuis son enfance. Selon elle, son surnom trouve son origine dans la légende Saraunia Mangou, la reine guerrière de Lugu, d'Oganduchi, dont elle-même Hadiza est originaire. Âgée d'environ 50 ans, Hadiza commence sa carrière musicale en tant que choriste dans le groupe tandis du chanteur Abdusalam. Elle y resta jusqu'à la sortie de ses deux premiers singles respectivement, Sherina et Bayani qui des grands succès. C'est de là que l'artiste a décidé de voler de ses propres ailes pour sortir à son premier album en 2006 dénommé Mama. Elle rend hommage aux mères et du monde, en particulier celle qui l'a mise au monde. Son deuxième album ne tardera pas. Cette fois-ci, Hadiza Mongou rend hommage aux enfants. déterminés à faire euh, de sa voix celle du changement, elle aborde des questions comme l'amour, le civisme, la cohésion sociale et la paix. après cette cible mélodie le moment pour nous d'entamer la première partie de notre entretien pour parler de la lutte contre le cancer du sein. Oui, Mariam, le Niger se joint à la communauté internationale pour commémorer du 1er au 30 le mois octobre rose. Docteur Cicéram Toulay Job, fondatrice et directrice générale de la clinique AFOA, fait de la lutte contre le cancer du sein son combat quotidien. Elle est l'invitée du jour de ce numéro de notre émission Le Niger sur Kalangou. Elle nous parle de la maladie et de sa prise en charge. Dr Ramotou Sissé Abdoulaye Diop est jointe au téléphone depuis le Canada par euh, Mohamed Maman. Le cancer, les cellules, au lieu de se multiplier normalement, de s'éteindre normalement, vont se mettre à se multiplier de façon anarchique dans l'organisme et ça va échapper à tout contrôle de l'organisme. Et c'est à ce moment qu'on va se retrouver avec une tumeur qu'on va appeler de façon plus simple. Les femmes vont vous dire, je sens une boule. C'est ça le principe du cancer et notamment du cancer du sein. Alors, docteur, quelles sont les causes de, de ce cancer Vous savez, on ne peut pas parler de causes explicites de façon déterminée parce que il n'y a pas de cause ni de déclencheur unique pour le cancer du sein. Chez la majorité des patients, on n'a aucune cause particulière qui va être identifiée. Cependant, il y a certains facteurs de risque qui vont accroître le risque de cette maladie. Parmi ces facteurs de risque, je peux vous citer notamment l'hérédité, notamment certaines mutations génétiques, et ça, c'est seulement dans 5 à 10 des cas de cancer qu'on va les déterminer. L'âge est un facteur très déterminant. Et enfin, et pas le moindre, il y a notre mode de vie. L'obésité, la sédentarité, ça, ce sont des facteurs qui vont accroître malheureusement notre risque de développer des cancers. Docteur, quelles sont les conséquences de cette maladie Effectivement, quand on parle de cancer, c'est une chape de plomb qui s'abat et on a tous peur de cette maladie parce que un cancer non soigné va entraîner la mort. Et c'est en ça que c'est extrêmement important parce que un cancer du sein pris à temps va vous donner des taux de survie inimaginables. On guérit du cancer du sein quand il est pris à temps. Et s'il y a un message, un des plus importants à faire passer suite à notre entretien, c'est cela. C'est pour ça qu'il faut faire des dépistages précoces pour éviter qu'on soit à un stade où c'est déjà très compliqué, je vais le dire tout simplement comme ça, pour prendre en charge la patiente. Alors, docteur, comment cette maladie se présente aujourd'hui dans le monde et principalement au Niger Selon les chiffres que nous avons de l'OMS, par exemple, en 2020, il y avait 2,3 millions de femmes qui étaient atteintes du cancer du sein. Je dis bien 2,3 millions de femmes. Et sur ces 2,3 millions de femmes, on a déploré malheureusement 685 décès. Au Niger, avec les statistiques que nous avons, parce que vous et moi, vous, on sait très bien que euh, malheureusement, le système de santé n'est pas celui qui va recueillir tous les cas. Je peux vous dire qu'en 2022, sur 585 cancers qui ont été détectés au Niger, la moitié étaient des cancers du sein. Ensuite, on a eu les cancers du col du l'utérus qui venaient en deuxième position. C'est dire que c'est sérieux cette maladie. Oui, c'est effectivement le cancer qui touche euh, le plus les femmes. C'est un cancer curable, d'où l'importance de ce travail de communication et de sensibilisation concernant le cancer du sein. Docteur, vous avez dit que c'est une maladie qui se traite euh, comment Ça dépendra du stade. Vous savez, comme je vous ai dit, on va la dame on va dire, ah, j'ai une boule, ou j'ai constaté que mon sein est déformé, ou il y a du, de l'écoulement qui sort de mes seins. Ça, c'est les signes hein, qui vont alerter. Maintenant, le cancer, il y a différents stades. Il y a ce qu'on va appeler le cancer in situ, c'est-à-dire que c'est une toute petite tumeur, une toute petite boule qui va être détectée au niveau du sein et elle va être locale. Quand la boule est détectée à ce niveau, c'est ce qui nous permet d'obtenir les meilleurs pronostics. On va enlever cette tumeur. Bien sûr, ça va être suivi d'autres traitements, mais des traitements vont rejoindre les autres cas et je vais revenir dessus. Quand la boule est un peu plus grande et qu'elle envahit le sein et que malheureusement on peut avoir aussi des cellules cancéreuses au niveau des ganglions donc sous les aisselles, on a également des boules. À ce moment, on va faire ce qu'on appelle une mastectomie, c'est-à-dire qu'on va faire une ablation de la glande mammaire et on va aller chercher également ces ganglions qui peuvent avoir été atteints. Malheureusement, il y a des cas où le cancer est, est détecté à un stade de métastase, c'est-à-dire que le cancer a la possibilité de détacher des petites cellules qui vont se mettre à se balader dans le corps et malheureusement, ça peut atteindre le poumon, ça peut atteindre le cerveau. Donc, quand c'est découvert au stade de métastase, c'est vraiment un stade hyper avancé. Et dans ces cas de métastase, malheureusement, la survie va descendre à 25%. À ce moment, il y a des traitements qui rejoignent le premier le deuxième cas, c'est-à-dire que chimiothérapie. Pas tout le monde a entendu parler de la chimiothérapie, mhm. c'est-à-dire qu'on va médicaments par voie veineuse pour que ces médicaments aillent tuer les cellules cancéreuses. Il y a la radiothérapie. C'est une sorte de radio, comme les radios classiques qu'on passe, mais qui vont envoyer des rayons qui vont aussi brûler les cellules, les cellules cancéreuses. Et maintenant, il y a des nouvelles armes disponibles pour combattre le cancer, notamment l'immunothérapie. Et cette immunothérapie va également aider à combattre le cancer. Une autre méthode de traitement, c'est de redonner au corps la capacité de reconnaître les cellules cancéreuses et d'aller les attaquer et les détruire. Et c'est ça l'immunothérapie. Mais docteur, est-ce que le Niger dispose de toutes ces techniques C'est des techniques que vous allez trouver ou des possibilités de traitement que vous allez trouver dans les pays les plus développés. Chez nous, la chimiothérapie existe, la radiothérapie existe. À partir du moment où on n'a pas toutes les structures et tous les moyens, même si on les a, la première lutte qu'on a à faire contre le cancer, c'est vraiment le dépistage précoce. Chers auditeurs et auditrices du Niger sur Karangou, repartons en musique avec les titres Sony Mossoï du groupe Tempête du désert. C'était Sony du groupe Tempête du désert. Attaquons à présent la deuxième partie de notre entretien du jour. Depuis quelques années, Dr Sissé Ramtoulaye se bat pour sensibiliser les femmes sur cette maladie. Dans cette deuxième partie, elle explique les raisons qui la motivent toujours au téléphone avec Mohamed Maman. Quelles sont les actions que vous avez déjà réalisées dans le cadre de la lutte contre cette maladie Nous, à la clinique AFOA, depuis 13 ans, on organise à l'occasion du mois d'octobre rose. Parce que octobre rose, c'est le mois qui a été dédié sur euh, la scène internationale à la cause du cancer du sein. Mhm. C'est-à-dire que c'est le mois dédié au plus d'informations, c'est le mois dédié à la prévention essentiellement. Nous, depuis trois ans, tous les mois d'octobre, nous organisons des séances de sensibilisation au cancer du sein. Nous avons en notre sein des équipes de gynécologues et de sages-femmes qui rencontrent tout le temps les femmes. Et l'objectif, c'est de dire à nos femmes, à nos sœurs, à nos mères, à tout le monde, que par un geste simple, qui est l'autopalpation des seins, on peut savoir si on a une boule ou pas dans le sein. En observant ces seins, on peut remarquer s'il y a une déformation, s'il y a un écoulement. Pourquoi le choix de lutter euh, contre le cancer du sein, docteur <laughs> Je vous remercie, Monsieur Mohamed, pour euh, cette question. Euh, cette question, elle est très personnelle. Moi, j'ai choisi de lutter contre le cancer du sein parce que je suis en tout cas, Dieu merci, jusqu'à ce jour, une rescapée du cancer du sein. Dans mon histoire personnelle, j'ai des antécédents de cancer du sein. Et je peux vous dire que c'est parce que j'étais sensibilisée à cette pathologie. C'est parce que je savais que c'est anormal d'avoir une boule dans le sein que je me suis prise à temps pour pouvoir bénéficier des meilleurs traitements. Et cette expérience, on n'a pas besoin d'être médecin pour la partager. C'était extrêmement important pour moi de dire aux femmes, écoutez, le cancer ne choisit pas où il va aller se développer. Il n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de niveau social, il n'a pas de niveau intellectuel ou étudiantien, pas du tout. Donc, apprendre à s'auto-palper et à sentir si on a une boule, c'était à la portée de tout le monde. Cette sensibilisation, on le fait en français, on le fait en germain, on le fait en haussa, pour que toute femme soit capable, ce geste simple qui sauve des vies, de pouvoir le faire. Alors, docteur, euh, comment a été le début de cette lutte pour vous Vous savez, c'est toujours compliqué quand on vous pose un diagnostic et quand vous parlez avec d'autres patients parce que le mot cancer, ça ne fait pas peur qu'à la population générale. Ça fait peur à tout le monde. Vous vous dites, OK, j'ai un cancer, je peux mourir. On sait qu'on meurra tous d'un moment ou l'autre. On est tous des religieux pratiquants, on le sait. Mais quand un diagnostic comme ça est là, vous avez en face de vous la mort. Quand un diagnostic comme ça est posé, vous avez besoin d'être soutenu. Deuxièmement, le cancer, ça aura des implications financières sur votre vie. Ça aura des implications sociales sur votre vie. Et une des leçons à tirer, c'est qu'il faut lever le tabou sur le cancer parce que c'est une maladie pour laquelle on a besoin d'être entouré. Mais si vous cachez votre maladie, malheureusement, comme beaucoup de personnes le font, vous n'allez pas vers les personnes qui peuvent vous aider. Vous n'en parlez pas à une amie. Vous n'en parlez pas à votre sage-femme chez qui vous allez. Vous n'en parlez pas à des gens. Vous gardez pour vous. Vous laissez une tumeur se développer et malheureusement, ça ne se guérira jamais tout seul. Alors, comment votre entourage a accueilli euh, votre décision de lutter contre le cancer, docteur et très bien. Et parce que mon entourage a été pour moi une émulation. Ils m'ont soutenu, ils m'ont accompagné et ils continuent aujourd'hui à me soutenir, à accompagner. Personne parmi mon entourage ne m'a dit, ah, pourquoi tu vas aller parler de ton cas devant les gens Au contraire, on m'a dit, on m'a encouragé, on m'a dit, il faut en parler. Tu as raison d'en parler pour que les gens comprennent que ça peut concerner tout monde. Et c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, Et je vais vous dire ce que vous êtes en train de faire, mais ça n'a pas de prix. Ce dont le cancer a le plus besoin, c'est l'information. Et nous vous remercions de nous permettre de donner cette information. Nous vous remercions de mettre que vous mettiez à disposition des personnes l'information. Le cancer des seins peuvent toucher les hommes aussi parce qu'ils ont des glandes mammaires. Mais c'est vrai que c'est en moindre proportion que chez les femmes. L'appel que je voudrais lancer à l'encontre donc de nos sœurs, mères, tantes, cousines, c'est vraiment le maître mot dépistage précoce. À l'encontre de tous ceux qui peuvent partager que ce soit les médias traditionnels, que ce soit les médias en ligne. Je voudrais vraiment que tous les médias en ce mois d'octobre se mobilisent pour faire une, de, la cause du cancer du sein une cause qu'ils vont partager avec tout le monde. Enfin, à l'endroit de nos autorités, il a été prouvé que prévenir, et ce n'est pas spécifique du cancer, ça revient beaucoup, beaucoup moins cher. Avec nos systèmes de santé qui ont des difficultés, où le curatif est excessivement cher, je lance un appel à nos, nos autorités pour qu'on lance des campagnes de dépistage à grande échelle et qu'on ne soit pas obligé après de prendre en charge une personne atteinte du cancer. Merci beaucoup, docteur. Merci. C'était docteur Cissé Ramtlaï Diop, au téléphone par Mohamed Maman. Passons à présent à la rubrique environnement qui porte sur les maladies climato-sensibles. Mais de quoi s'agit-il exactement Les études ont démontré que certaines maladies sont sensibles au climat. Cela se traduit par les effets qu'ont les changements climatiques sur les endroits où ces maladies existent et sur le nombre de personnes qu'elles peuvent infecter. Ces maladies sont appelées des maladies climato-sensibles. Suivez les explications du docteur Mamba Noura sur les types de maladies climato-sensibles qui existent au Sahel, et au micro de Asmana China. Qu'appelle-t-on maladie climato-sensible J'aimerais juste détacher ça pour expliquer. Nous avons climato qui se rapporte au climat et sensible qui veut dire sensible au climat. Donc c'est des maladies en réalité dont la survenue où la transmission est modifiée par des éléments du climat. Et quand on parle d'éléments du climat, on parle de la température, de l'humidité, de l'évaporation, de la pluviométrie, de tout ce qui est en lien avec le climat. Et ces pathologies-là, de par euh, leur mode de transmission, que ce soit à travers les vecteurs, que ce soit à travers euh, l'eau, que ce soit à travers l'air, donc vous voyez qu'il y a une interaction entre le climat et la santé. Mais pourquoi parler de maintenant de maladies climato-sensibles On sait qu'il y a toujours eu cette interaction euh, entre les maladies et le climat. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que le changement climatique en lui-même, l'événement qui amène toutes ces modifications, que ce soit euh, au niveau de la planète ou au niveau des hommes, au niveau de toute la biodiversité, est en train d'entraîner des modifications qui sont devenues aléatoires. C'est-à-dire si on savait par exemple que on a une sécheresse chaque 10 ans, maintenant elle est devenue chaque 2 ans, c'est juste un exemple, c'est pas pour donner des chiffres. Donc c'est la même chose qui se passe. Des maladies qui ont pensé connaître leur mode de survenue, les périodes dans lesquelles ils viennent, on se rend compte que ces maladies-là surviennent soit de manière plus tôt, si je prends le cas de la méningite. Avant, on voyait vraiment les débuts de méningite, c'était beaucoup plus dans les périodes de mars, après que la saison froide soit passée. Mais là, la méningite commence pratiquement en décembre avec euh, euh, la sécheresse de l'air qui est là et elle persiste jusqu'à pendant la saison pluvieuse. On continue à avoir des cas de méningite, tout simplement parce que même la pluviométrie a changé. Pendant les pluviométrie, vous avez ces pauses-là qu'on retrouve pendant les, la période de pluie, ces pauses de sécheresse-là. On a des cas qui se manifestent même pendant ces périodes. Et avant, on connaissait la méningite, par exemple, sur toute la ceinture euh, de la péronie qui se déroule peut-être chaque 4 ans, chaque 5 ans. Là, chaque an, chaque année, on a une épidémie de méningite. Et heureusement qu'on s'est rendu compte de ça. Aujourd'hui, il y a, euh, comment dirais-je, une euh, prise en compte de cette méningite-là qui est beaucoup plus adaptée au contexte. Donc ça, c'est vraiment un exemple que je note, c'est pour montrer que les maladies climato-sensibles, c'est vraiment toutes ces pathologies qu'on connaissait avant, mais qui vont se modifier par l'effet du changement climatique. Quels sont les types de ces maladies dans le contexte sahélien alors, euh, j'aime bien rappeler euh, ces maladies à travers justement ces quatre groupes-là. D'abord, à travers les maladies à transmission vectorielle, nous avons les maladies à transmission hydrique, les maladies à transmission aérienne et nous avons le stress lié à la chaleur. Et ce stress-là, il va beaucoup plus impacter les pathologies chroniques les maladies non transmissibles, à savoir ceux qui ont des insuffisances respiratoires, le diabète, les hypertensions euh, artérielles, euh, les cancers et toutes les maladies qui sont chroniques vont se voir déséquilibrées, voire décompensées par cette chaleur. Si je remonte avec euh, les maladies à transmission vectorielle, nous avons comme chef de file ici quand même, quand vous parlez du contexte du Sahel, je vous parlerai du paludisme. C'est une maladie que tout le monde connaît, qui aujourd'hui euh, malheureusement à certaines particularités. Aujourd'hui, dans certaines régions, comme la région d'Agadez, qui était une zone vraiment à transmission euh, faible de paludisme, est devenue pratiquement une zone euh, endémique. On ne sait pas en réalité si c'est une endémie ou si c'est des épidémies à répétition, mais on sait quand même que le paludisme sévit sur toute l'année comme il le ferait à Niamey. Mais il y a autre chose qui m'a marqué, c'est que là-bas, à Agadez, c'est les adultes qui font les formes graves de paludisme. Aujourd'hui, un adulte normal qui vit à Niamey, quand il fait le paludisme, il ne va pas développer les formes graves. Ça, c'est pour les enfants dont l'immunité n'est pas complètement acquise par rapport à ça. Quand je parle de paludisme, avec convulsions, avec anémie, avec des hypoglycémies, c'est chez les enfants qu'on voit le plus. Mais regardez, c'est les adultes qui font ça. Tout simplement pour dire que les adultes ne connaissaient pas avant le paludisme. Ils ont grandi sans développer cette immunité-là et que maintenant ils font le paludisme comme les enfants d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une hypothèse que j'ai développée à partir euh, de cette thèse-là, à part cette corrélation et c'est quelque chose qui me tient à cœur que bien sûr j'ai l'intention d'approfondir. Il y a d'autres également pathologies qui sont transmises par les vecteurs. Ici au Burkina voisin, nous avons la dengue qui est en train de faire un véritable carnage et j'espère que mes confrères du Burkina auront à l'esprit de pouvoir faire ces études-là. Il n'y a pas que ça. On peut même parler de la parce que tout récemment, j'ai eu la surprise de savoir qu'elle sévit dans une région du pays. Et je vous parlais également du Covid. Pourquoi le Covid Parce que au départ, c'est des rongeurs qui ont amené ça. Et ces rongeurs-là ont quitté les forêts pour se retrouver au niveau des villes tout simplement à cause de l'urbanisation. Les forêts sont en train de disparaître à cause euh, de ce changement climatique. Encore de la musique dans l'émission Le Niger sur Kalangou, le groupe Eman Kayan, et dans la place, il nous chante Trahison. génération nationale, tu sais, tu Va les rapper pour les papas, tu sais. Ensemble, nous, nous enseignons, nous expliquons, pour sais. Nous pour l'amour, nous pour l'amour à la jeunesse. Ma transmatrice, il faut comment les max sur ces podiums. Même si c'est dur, comment on le fera. Je me donne ma qui, j'aime la musique et la game, mais je donne des tarifs. Le numéro c'est la vision du monde, ne le pas conçu à travers les médias. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, manipulé par le Parce que les nouvelles de ce monde a volé. Et nous dans la guerre, c'est un rappeur, on ne sait pas. tout seul qui perd mais on quitte déjà, le dieu poussière ça fait aller Oui, est-ce que tu crois que ça peut marcher par Parlons misère, je coupe mon lecteur. En maintenant, c'est plus ma belle sera avec. En bloc, tu mets à deux les trois premières soirs. T'es noirs par la compte et nickel me disent. Ma gosse, ça te pense, pense à moi. Je suis plus à ton cette aventure radiophonique avec notre reportage en région et c'est la région de Niamey qui a l'honneur pour parler du Moringa. De nos jours, les femmes, qu'elles soient de la ville ou de la campagne, sont déterminées à leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. C'est dans cette optique que les communautés, pour appuyer leurs moyens d'existence dans les régions de Zender et Maradi, les femmes exploitent des terres à travers la culture de Moringa. Alassane Taher, coordonnateur chargé du programme d'appui au renforcement de la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, explique comment le projet projet d'appui appuie les femmes à être autonomes au micro. Il est au micro de Mama Ada. cikin kowane gari an gyara wurin noma tun daga eka biyu har eka goma inda mutane da yawa suke samu suna halarta musamman mata suna halarta suna yin noman rani musamman noman 'yan makka ana baiwa kowace mace eh, ina cewa mata don saboda mata sun yawa ciki mita 200 inda so mun kai forage mai nisa me yasa mun ka zabi yan makka dan saboda ita ice ne wanda ke badawa da rani ya bada da damina kuma zabi da mun kai ne dan ya zama wata dama ga su mutanen da mun ka zaba cikin karkarorin ga ta su samu aikin yin duk tsawon shekara saboda matsalar da muke fama da ita cikin karkarorin ringa namu da inda ba a iya noman rani in an ka kare noman damina mutane zamani suke suna bai inuwa ba su wani aiki don kenan sai an dafa ma mutane ta hanyar kirkiro musu wasu sa'o'i wanda za su kama musu su ketare rani cikin yanayi mai sauki To kun yi magana kan kun yi fifita mata shin me yasa? To abin da yasa mun kahi mai da hankali kwarai ga mata na farko dai dan saboda su mata kullum su ke gida ko da dadi ko da wahala. E, dalili na biyu kuma wajen huska samun gona ta noma musamman gona mai kyawu wadda an ka gyara maza sun yi mata samun dama ta samun wuri na noma mata ba su cika samu ba mata su san da cewa yadda maza ke iya kawo gudunmuwa bisa ga noma bisa ga samo abin da iyali za su ci to su ma mata suna iya yi ta hanyar ba su damar su ma su mallaki wuri eh, inda yake wuri kamar na gwamnati ne muke bi tare da wakilan gwamnati sai mu yi takardu inda kuma wuri ya zama sai an saye eh, muna kamawa tare da meri meri in an ka sayi wurin sai a yi takardu a da masu mata ta hanyar kungiyoyinsu ya zama wuri nasu ne inda kowace mace man ba za ta iya samun wuri a yi takarda a miƙa mata ta hanyar gindaya mata wasu ka'idodi na cewa in an bata wuri to dole sai ta yi noma ciki alhamdulillah mun gani mata da yawa sun yi unhwani da abin da suke samu sun sayi wurare ma kuma sun sayi dabbobi kamar raguna kamar awaki wata akwai wadda ma cikin ƙasar zandar ta ce muna ta sayi ɗansa ke kiwo akwai dama tallafa mata har su ma su mallaki abu nasu na kansu musamman hilaye na noma. To wannan tallafi ɗaikakun mata ne kuke ba ko kuma ƙungiyoyin mata ne ake taimaka? ɗaiɗaikun mata ne amma ta hanyar ƙungiyar su farko in mun ka zo cikin gari wanda babu ƙungiya bayan mun zo mun taro na gangamkiya gaba ɗaya za mu bincika mashin akwai ƙungiya in babu ƙungiya za mu gabatar da wani bincike da muke yi wanda ake ce ma analyst socio-economic kamar mu yi hidda matsayin maza da mata a cikin gari wake da rauni mai yawa wake da tsananin rauni wake da rauni dan madaidaici wa abba shi da rauni wajen gungu kala hudu ne waɗancan na ƙasa waɗanda ke da matsala kwarai su ne muke zakulawa mu ɗauko in mun ka ɗauko su sai mu horar da su kuma sai mu tsara su mu yi musu ƙungiya sai ta aiki da su ya zo da sauƙi wannan ƙungiyar tasu ita ce muke ɗauka eh, muke mu'amala da ita. To kun yi bayani kan raɗi da Alexander shin me yasa waɗannan yankuna biyu? Kamar yadda kun ka sani Nishar kun san an kasa ta wajen eh, gungu wajen sha hudu na abun da aka ce ma kaman tsarin yanki wanda ake iya rayuwa a ciki. Waɗanga zon da mun ka ɗauka zon ne ana yin noma na ruwan sama amma na rani wuyayi gare shi saboda ruwa na da nisa a wurin in an ka ce ma yau an ƙare aikin damuna an girbe abinci zamanin suke suna kallon sama ba su da wani aikin da suke yi sai ta yaya su yi sare-saren itace itace yau kan sun yi kaɗan yau mushan gandun daji ya kama haka saro ice matsala ce da shi kuma wanga aikin da muka sa kamar yadda ma aiki ne wanda yake ba mazauna karkara damar su samu abin yi tsawon shekara guda tunda yan makace mai yawa muke shukawa ta yi kunnuwa da rani ta yi kunnuwa da damuna kenan ka gani in dai mutum zai gyara ta ya noma ta ya gyara mata wuri ya bata ruwa to ya samu aikin yi Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, l'espoir. Bonjour Soumana. Bonjour. Quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui eh bien, aujourd'hui, on va à la découverte d'un vétéran du taekwondo, Maître Omar Amadou, surnommé Maître Cobra. Certains l'appellent aussi Beirekwe. Donc, dans cet élément que je vous propose, il explique ses motivations pour cet art martial. taekwondo kan ni dangara irzan kitare wati din za azal bore gi yenge bore gi koy buce do chabe di da bal de mariage do kan gate irga kan charra apre kan ir di din sin nafa irga ba irma sin tinga foru e gitar na de han sar molo ngene kare bab sibara ay go idda ga gurje dai dai amma bagu kala ay go gorte le kala di taekwondo eh, pale de congrès no ina passage cin te ta no di wodi kici bilo kan kane se ay di mat kan nasara fo ka signe metro show agoga tondijiyan karga bagu de kambe ay ne hayo te tace mat kay te gama no aka furo mata cin ni duga te ga don halni wani to ni bai hay kulga ba su ba kan son zan kai sinda ir gane ir metro yi ba kan iman chouda ir giban daga gana igo giddan di kallan kan irin fahamga wani irin te alberian ara yi gwanda sentir bio kan sigine sentir noir 6 dan national yi gwanda sentir noir 5 dan international international ga ci indunya kura nan kul kay koy ay wo sentir noir no 5e dan son gin da dirse tukuncion kanidu taekwondo maga nijar da labuane ay man baygi cewa karkan ay man duwara médaille ay médaille du niger aite champion categorie razam tine tine no e wegucin a tara champion wegucin da kilo wegucin hakko a été tara champion a yi gana koi di hinka no din final no ine a kilo wegucin da hakku a du médaille d'or international mamo a eu du médaille de bronze hinka afa kotonu ne afa mo niger bumbo champion d'afrique hinkanta bamako jiri zambara hinka de hinka no ne te champion d'afrique médaille d'or ay ne to yadinga son kan bor fatande médaille d'or nango kul bor manango fulan zam to dine kobara ya gondi mano ifo se kigi nen se maître kobara maître kobara wato kege dambadi inga no de kar kule so sorno ne be gondi o dakar abadani sagar nan gora andi ba son kego k'e ko ne biri no ge ga hamu ga ay ko ay kulu ni se ni ne se kobara Eh bien, selon Maître Cobra toujours, donc il dit que tous les membres de sa famille pratiquent le taekwondo. Il est aussi l'initiateur de la discipline dans la région de Dosso depuis les années 90. Merci Soumana. Après l'espoir à place à présent portrait du jour. Spécialiste dans la mécanique, notamment de la réparation de suspension, Kosu Omar, âgé de 46 ans, dispose de son propre atelier. Aujourd'hui, il est devenu l'un des meilleurs réparateurs de Renault à Niamey. Notre reporter Omar Hamma est parti à sa rencontre, suivant son portrait. Et quand est-ce que vous avez commencé à embrasser ce métier Bon, j'ai fait mes études en mécanique j'ai mon CAP en mécanique avant de venir à Niamey. Et comme c'était la mécanique générale, arrivé à Niamey, j'ai embrassé la suspension. Donc je fais la suspension auto. Donc une branche de la mécanique. Et pourquoi vous avez choisi ce métier euh, Parce que arrivé à Niamey, j'avais un grand frère qui le faisait. Et j'ai vu qu'à Niamey, ils font de tout. Et j'ai vu que quand tu es spécialisé dans quelque chose, ça peut plus marcher et tout ce que tu vas faire serait des choses de qualité. Donc c'est à cause de ça j'ai préféré embrasser la suspension que de faire euh, la mécanique en général. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre euh, métier là Bon, les difficultés, en tout cas, ça ne manque pas. Les difficultés se posent au niveau des autres mécaniciens parce qu'ils veulent faire de tout et ils essaient de mettre la voiture de la personne en problème et ces problèmes-là se retombent sur nous. Donc c'est genre de difficultés qu'on arrive à voir. il y a des véhicules aussi qui n'ont pas des pièces originaux au niveau de la suspension et ça aussi c'est quelques difficultés que on arrive à voir dans le travail. Sinon à part ça, bon, je ne vois pas s'il y a encore quelques difficultés. Est-ce que vous avez pu gagner ou bien réaliser dans ce métier-là Gagner, réaliser, je vais dire oui, parce que dans la vie, on n'essaie pas de calculer ce qu'on dépense. On essaie de voir si on a des économies posées. Alors que nos dépenses même dépassent plus les économies que nous avons. Et dans ce métier, bon, Dieu m'a béni avec euh, trois enfants et ils sont bien nourris. Ils vont au moins dans une école aussi privée que je paie cher grâce à, ce métier. Donc si je veux dire, j'ai bénéficié, j'ai réalisé aussi beaucoup de choses dans ce métier que je ne peux pas trop citer. Et vous avez euh, un appel à lancer à l'endroit de ceux qui ont des diplômes et qui s'asseyent comme ça sans embrasser quelque chose Oui, vraiment, j'ai un appel à lancer parce que, étant étudié en mécanique, parce que j'ai fait l'école professionnelle, je pouvais attendre à ce qu'une société m'engage pour travailler dans la société. Mais quand j'ai fini mes études, je suis revenu dans un garage pour me perfectionner. J'ai fait au moins un an dans un garage avant de faire quatre ans dans la suspension. Mais je pouvais m'asseoir avec mes diplômes, soi-disant, chercher un travail dans une société qui va m'engager et je serai bien payé. Mais j'ai préféré revenir en arrière et retourner dans les garages et puis voir comment le travail se passe dans les garages. Parce qu'à l'école, on a des appareils qu'on ne pouvait pas acheter à la fin et qu'il faut dans une société. Maintenant, j'ai vu les travaux qu'on faisait à l'école, comment ces mêmes travaux-là se faisaient dans les garages. Donc, c'est ce qui m'a aidé maintenant à ouvrir un garage et à travailler à mon propre compte. Donc, je demande aussi à tous ceux qui ont fait l'école professionnelle de penser à faire comme moi au lieu d'attendre qu'un société les Chers auditeurs, pour notre toute dernière balade à musique, nous vous proposons de gérer du groupe Tesco d'Agadez. présent aux chroniques Lotti du Desk Pharma du studio Kalango. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation du kaolin ou argile par les femmes notamment. Au Niger et dans plusieurs pays d'Afrique, ce sont surtout les femmes enceintes qui sont les premières consommatrices. C'est ce que les spécialistes appellent la géophagie. Et cette pratique n'est pas sans conséquences sur la santé de la mère et de l'enfant à naître. N'est-ce pas, Arimi et Samira Rouafi? Lottie, eh, see, Lottie see. Loti. Loti. <laughs> dai nous kana Oui, oui, hawa hey hawa ni go mo ah fifi nino, il irko si alhana ma ay wai ka logo non go fo hare Amay bani samay samai nin fa go bani. ni hmm, man tai no ai him kirano ni wa haddai ni du ni botaga wo ni go ganwa ni si di ni sima hayo go ga lakal Tunandi wallahi ni se to ay cewa Nim bog bai bata gawon wago ay go ga wano asiyai bayi ga go di alhali kan ranai go alhali fu ni gidi hankan gai jina no dai te zari follon ai man boto gawon kala kalbin tai da harcin di kansi bori ko ni di safari mono kansi chada dai duwe dal guwal waran ka gai murado fere har harin wa kalamu sai sai oho irga bai kan aga bintai da fi safar amma iman ne nim wa me wala ga kai shi ga wa ibobu kai ni fo ne wa. za wa men da mi asibi so ta ki wona kai gunwa kawai mduguma dai ga han moraka ne wakan ni wani goga dino yami aga ga. tenise illa ni wani ga han ba no bon ni bai kan haibobin wayan mo sibori it koi begi wallahi ni ba sani be ran diyan ga fika han kan patal mizi kai ne kai ne foin da hene gonwa he ni han kai feri boto gon wayan mo aga tenise no ni gundara am koi gor ni se ni wani buzgora koi ne ni bai kan aka tenise masal bobiya it koi begi ya dinga hada lahani foin no gasi. ni wo digo si nisi hangan gabai ha mabai kan bere ina batugun wayan ganji so ko famu wai bargun da koyaise ifo mo wallahi aga kanu hawo mo ga kanu koini ta ne kaini he dogonan <laughs> botogo aga hinga kuri jangai dan borai kan goga ngwasi koi ne mo haikan galala asibar kul se tugureira wai bor gunda koi wo zahano borno kan sin da kuri gumo soko famu kan ayega ga botogo ngwa koi ne ngune milla kalkanandi haikul no sidwai halaga toy se kuri jangai ga hadini kulai gana <laughs> ome haru ni woni go haya san bunda fore nisibai kan botogo ni ga ngwano koi ne anwayen lami ga yindi agbar ga tenise maze kwaya nguni irko sena ga fika wallahi ni sintin ga hamburandi a ah, to hari no kan ga hamburandi bindi bo ai man baki ni sai lahana kan gwabande kan manti kurige ngai ni di ni targa hai ko kya manto hayya wala mo ko kya ga beri hai tora ila labun ga tikan ni izo ga hin gabu wala mo ni bumbo ni mu bu gunda wate wala mu hayyan wawat subhanallah. ai wa shibabi hankan ga yi fango ai shibai mai izo hai lokacin manto wala mo a gyanga a ah, to wadin kimi nofa fa dinga ni bon hagwai kwai loktor kwara gin bon guna nim duga bai alhalo kan ranin din izogo ato atil sai ga walla hey za son bumboda ai nan boto ga won wayon su za su bai kwai je won loktor ato aga wajib ni gafa da mantiyadin ni kwai ga zanka hai ga hamo kul botogo <laughs> fifi wallahi ai sabu ay sabu da alba haga wo ga son wo kai hay kul ne gite indiya wo ko kuma sidi chak chak fai mafo halem ko ga bu ga din wa <laughs> mudin wa aran atil <laughs> sai gano ni Merci les filles pour ces conseils. Nous allons à présent recevoir Alassane Abdou pour la rubrique linguistique. Il nous parle du mot retrait. Bonjour Alassane. Bonjour euh, Rukaya, bonjour Mariam. Oui, nous avons choisi ce mot parce que c'est un mot qui est d'actualité. Quand tu euh, trouves une fada à Niamey, quand tu rentres dans des familles, quand tu rentres un peu partout, tu vas entendre les gens qui parlent à quand le retrait, à quand le retrait, à quand le retrait. Définition de retrait, le retrait d'une manière générale est la faculté donnée par la loi ou par le contrat à une personne de renoncer à un droit, à un avantage ou à l'exécution d'un contrat. Les synonymes, c'est abandon, effacement, évacuation, recul, reflux, repli, repliement, retraite. Donc, pourquoi j'ai choisi ce mot aujourd'hui Parce que quand je disais tout de suite que dans les dans les familles, un peu partout, on en parle, le retrait de quoi De l'armée française. Un peu partout, on en parle parce que c'est l'actualité au Niger. Quand est-ce qu'on va voir euh, le retrait Les gens en voient sur les réseaux sociaux, les gens sur l'Internet. On a vu des voitures, on a vu ceci, cela. Donc, le retrait, c'est de ça qu'il s'agit. Le retrait, je le répète encore d'une manière générale, est la faculté donnée par la loi ou par le contrat à une personne de renoncer à un droit donc voilà pourquoi ces derniers temps dans notre pays, on en parle beaucoup et on va continuer d'en parler jusqu'à ce qu'on verra ce que la population attend depuis un moment. Donc matakan kida de sohonda hon eh, sanni zokir suban mantkala waka sigine fatiyan bore gina a ah, eh, fonda filandra wat fono bore fatiyan fat yanga ga bakirra mantirin fat gan mantirin fat ka eh, irjan ka makani yanke be wakan san sare gine grevna mantirin fat yakin da kinte wat fono ne fat ne kalwonera ka na hare musiye ka kalora mhm. inne man kasin wona suban jirbihin ko nan kulkan gana irni jar labora din koy windeyra din koy fadera nan kan ko kul han hanno ga kware so fatta irla beyra Yanga ga ine fatiyan matki ko ka wana fassar irse ine harno kan kitu fonde niki sanga harno kan ni gonda sanka sambiyan bor hinka da kyargamara bi hinka da sanka sambiyan godin ibne to hunkuna ato ngme sanka godin itun abon yakin Diakin yakin wasino koyne wolmo riba kan him, him kudu atkulu wolmo har kason dogone yen wal fondo feriyan kan goni seminan se hunkuna banda choro banda fondo wodi yan i tabbatan inigai ini gayi ine ka ibo imin sambuka nongora imin sambuka nongo muzur nongo way kul har yenno kan gande gihem chare hanka samirun subani ki borgan kul fatta ini fatta wat himan tabatu wo sendir sanizo retri Merci à Alassane pour cet éclaircissement. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 à 64. Ruki, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. studio Kalangu kamar wanda kuke cikin minti talatin ku yi ƙoƙari ku ƙara zan kamar awa guda ko kuma wanda kuke yi minti goma sha biyar ku yi ƙoƙari ya zan ko da minti talatin musamman bisa ga irin wannan hira na waye kai da yake ina jin kuna sawa harshen hausa zawarmanci fulatanci buzanci to irin wannan abubuwa yana da kyau ku ƙara faɗaɗa su eh, don in ana sa su suna ɗaukar lokaci shi ke sa wani lokacin da yake son ya saurara na in takaitaccen lokaci ne tana lokacin shi da wani ɗan aiki kahin ya gama aikin nan ya huskanci rediyo ne ƙila shirin ya ƙare kira na harko ce na dagaran zuwa ga studio kalangu kira na biyu kuma zuwa ga studio kalangu muna son su yi ƙoƙari in akwai hali cikin karkarin ne su bunƙasa gidajen rediyo ƙanana-ƙanana Eh, to lalle zuwa ga masu sauraron studio kalangu bisa ga zaman laya da kwanciyar hankali bayanin da a gare mu a yi kokari dukkaninmu makiyaya muke abin da muke nike nufi da makiyaya duka wani mahaifi Allah ya aza mai nauyin ya kula da uba da diyanai yau rishin kula da 'ya'yan nan shine ya kawo duka wani fitintinu da inda kowa na yin kokari ne ya san diyanai suwaye suke abuta da su suwaye a abutansu da ba za mu samu yaranmu da dama sun lalace ba don ka ina kira zuwa ga masu sara studio kalangu amanar da allah ya ba mu ta kula da 'ya'yanmu mu kula da su rishin kula da yaran nan shine ke kai yaran nan ga ta'addanci har su shiga daji C'est ici que prend fin l'émission de ce mercredi 11 octobre 2023. Vous étiez en compagnie de Maria Madé et Top Draman. L'édition a été assurée par Hila Toussoumana et Kadija Isaka, la technique par Kader Chambiano.